Et même les diététiciens, c'est ça qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. C'est ce que je dis. C'est ça. Parce qu'ils disent que, que, la viande rouge à chaque fois est. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Surtout la nuit. Et le Coran parle de l'arc Ça provoque aussi la goutte. La goutte et beaucoup de maladies, même La, la, tension, hein, l'hypertension et beaucoup, beaucoup d'autres complications, même le, le surpoids, l'obésité. Mhm. Contrairement à la viande blanche, où l'on peut manger sans, modération, comme le poisson, avec ses vertus. Hein? Tu sais, hier j'en ai parlé à Lyogo. Mhm. On a un projet sur, euh, euh, l'environnement. Et l'idée est venue d'une petite discussion que j'avais avec les frères sur ce verset du Coran dans dans Surat Baqara, la vache, où Allah dit Voilà, taqraba, hazihi shajara, fatakuna miwawalimim. Il a dit à Adam et à Eve Ne vous approchez pas de cette arbre. Cet arbre. Regardez bien ça. Tout le paradis, tout ce qu'on dit du paradis, Allah il dit Wa jannatina arduha samawat wal Hein? un seul paradis, c'est combien de milliers de, notre monde là On ne sait pas. Hmm? Le paradis, c'est vaste. Il y a tout dedans. Et Allah dit à à ne touchez pas à cet arbre. Toute une forêt. Il, leur dit, ne touchez pas à, à cet arbre. On va y revenir, mais moi, j'ai dit aux frères, c'est comme s'il leur disait, tout ce que vous aurez comme problème dans ce paradis-là, c'est à partir du moment où vous toucherez cet arbre. Et j'ai dit aux frères, moi, euh, depuis qu'on a commencé à toucher nous, nous, aussi les arbres, à couper, à déboiser, à déforester, à déforester, à creuser, à construire, à chasser les animaux de leur espace naturel. il y a les inondations, il y a, il y a quoi encore Il y a les feux. Les feux, ouais. Pollution. Il y a la pollution. l'avance du désert. L'avancée du désert. Il y a les tsunamis. Il y a les virus c'était avec les animaux, ils étaient dans la forêt. Maintenant, on les a chassés, ils sont rentrés dans la, ville. Ils sont venus avec des, virus, des bactéries que nous ne pouvons, nous ne pouvons pas supporter. Euh, or, eux, dans leur milieu naturel, ça, les aide même. Mhm. Ils ont même accusé le pangolin. Ah ils ont accusé la chauve-souris. À tort à raison, on ne sait pas, mais il y a une part de vérité dedans. Donc, depuis que l'homme, Adam et Ève, ils ont touché l'arbre, l'arbre, c'est là où a, commencé la difficulté de l'homme. Les difficultés de l'homme ont commencé. C'est-à-dire, les difficultés, c'est quoi C'est manger, les toilettes, et quoi Travailler, hein, cultiver. Au paradis, il n'y a pas ça. Mhm. Donc, ils ont touché l'arbre, ils ont commencé à souffrir. Il faut, il faut souffrir, il faut transpirer. Mhm. Donc, si on ne touche pas l'arbre, on ne souffre pas. Nous aussi, quand on a commencé à toucher les arbres, on a commencé à souffrir. Et ça ne va pas finir. Parce que les arbres aussi, ils cachent les secrets les secrets de la terre. Parce que dans toutes les forêts, il y a des gisements. Et c'est les arbres qui les cachent. Oui. C'est ça. Et l'homme, il croit que la richesse qui est euh, dans le sous-sol est plus importante que la richesse qui est sur le sol. Or, c'est faux. Il vivait mieux que nous. Ceux qui n'avaient pas coupé, ceux qui n'avaient pas fait des extractions, ils vivaient mieux que nous. Parce qu'ils n'ont pas bouleversé l'écosystème. Mm-hmm. Il, y a, certains savants, ils disent que tout ce qui est pétrole, tout ce qui est, tout ce qui est combustible, tout ce qu'on sort de, la terre, mm-hmm. c'est comme si toi, on te prend, on t'enlève te, on ton sang. Tu meurs ou bien on t'enlève toute ta graisse, uh-huh. tu meurs. Le pétrole, c'est comme la graisse de la terre. Plus on l'enlève, la terre devient comme ça. Or, on ne devait pas. Parce que sur, le, sur, la terre, on, a assez pour vivre heureux, nous tous, sans problème. Uh-huh. Mais l'homme, il ne il, dit jamais ça suffit. Mhm. il continue, Il continue, continue, continue, continue. Et là, ils ont atteint leur limite. Maintenant, au lieu de retourner vers l'homme ou bien vers Dieu, c'est la même chose. Mhm. Ils retournent vers les animaux. C'est ça, non Ou bien Si Avec la zoophilie la sexualité même, elle est devenue spéciale. On imite les, la sexualité des animaux. N'est-ce pas Ou bien On pense comme eux, qu'on fait comme eux, on, réagit même comme eux. Mm-hmm. Et c'est après quelques temps qu'ils vont se rendre compte que, ah, c'est pas, pas la voie. Regardez bien cette guerre de 20, ans. Ils ont fini par <laughs> rebrousser chemin. Ah. En Afghanistan. C'est la même chose en Irak. C'est la même chose en 89 aussi. 2001. Là, c'est la même chose. Pourtant, là, ils sont en train de négocier. Ils pouvaient commencer par les négociations. Toute guerre finie autour d'une table. Donc, vaut, vaut mieux favoriser et privilégier la table. Mhm. C'est mieux que les armes, ça vaut rien ça a mené à rien. Et là, Inch'Allah, on va voir dans quelques 5 mois, 6 mois, le désordre qu'il y a là-bas. Hum. Parce là-bas aussi, c'est l'un des, c'est l'une des plus grandes plateformes de l'opium. Ah l'opium. Donc, ils ne vont pas laisser ça euh, aux talibans seuls. Il y aura maintenant une guerre entre les musulmans qui vont encore se tuer. C'est terrible. C'est la même chose. Là, c'était, c'est une petite réflexion. Mais par exemple, quand tu, quand tu creuses par rapport à ce qu'Allah avait dit, voilà, takraba shajara. Toute une forêt, toute une, tout un jardin sans limite. Et Allah te dit, ne touche pas à cet arbre certains awliya, ils comprennent que Allah voulait que Adam touche l'arbre. Sinon, il n'aurait pas interdit l'arbre. C'est ce On ne peut pas raisonner avec ses décisions. Tu peux entendre quelque chose, oh, c'est le contraire auprès d'Allah. Mhm. S'ils n'avaient pas touché l'arbre, s'ils n'avaient pas touché l'arbre, ce couple-là, il n'y aurait pas la vie sur Terre. Mhm. Ou bien, il n'y aurait pas l'avènement du prophète. C'est pour cela que beaucoup d'Aulia disent de faire attention par rapport à cette, euh, cette, cette, euh, ce passage, ce verset du Saint-Coran. Parce qu'en réalité, ça, montre, même ça, ça, présage, ça, avertit, ça, annonce ce, refus-là, ça annonce la venue du prophète. la terre a été occupée par les, Par les djinns pendant longtemps. C'est la même chose pour nous. Hein. Quand les hommes sont venus, ils se sont mis derrière les eaux Et dans les forêts inaccessibles. Nous aussi, on a coupé leurs habitations. Hein. Ils sont dans les villes maintenant. Les djinns, ils, vont, ils, iront, ils iront aussi au paradis Oui. Les djinns qui. Allah, il, il a dit Il a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Hmm? La récompense, c'est le paradis. Ils, ils iront au paradis. J'ai fait une causerie, 30 questions sur le paradis. C'est sur YouTube. En français En français. J'ai fait le résumé en français. Accessible. Les 30 questions. Là, j'ai traité les djinns au paradis. Ils seront au paradis avec nous, mais nous, là, on ne les voit pas, n'est-ce pas hmm. Et eux, ils nous il nous va, comme le dit le Coran. Mais au paradis, nous allons les voir et eux, ils ne vont pas nous voir. Vous avez compris Nous, nous allons les voir. Eux, ils ne vont pas nous voir. Mais ils seront au paradis. Les djinns musulmans, croyants, qui ont suivi Allah au Minna. Al-Qasitun minna duna zarik, dans mhm. Surat al-Jinn. Mhm. Il y a parmi nous qui sont comme ça, il y en a qui sont, qui sont comme ça. Nous sommes des mhm. peuples, des tribus, avec des couleurs différentes. Surat al-Jinn, nous... سمع نفر من الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا يهدي إلى الرشد فآمنا به فآمنا به ولم نشرك بربنا أحد C'est comme, notre corps et notre, notre âme. On va parler d'âme pour se comprendre, mais c'est l'esprit. au paradis aussi, c'est le corps qui sera invisible. C'est l'esprit qui sera visible. <laughs> <laughs> c'est ça. C'est ce, qui explique euh, la taille. Euh, Parce que pour les roues, il n'y a pas de différence n'y a pas d'âge, il n'y a pas de différence. <laughs> C'est pour cela qu'il faut travailler pour le roi. Parce que là-bas, lui, il sera roi. Le corps sera enfoui dans le roi. Comme le roi aujourd'hui est enfoui dans le corps. Le roi est en nous. Mais où est-il On ne le voit pas. Mais s'il sort, on sait qu'il n'est plus là. C'est la mort. On mhm. appelle le cadavre, on appelle le mort, euh, le, euh, comment on appelle, euh, le, corps, oui, il n'y a, plus, de nom. Hein? La dépouille. La dépouille. C'est ça. Cadavre. Ah, c'est ça. C'est que les disent il hmm. y a un choix à faire, choisis ton, roi le corps finira, retournera à son origine qui est la terre. c'est pour cela que ça certes ça a une importance à une certaine, mesure mais ce qui est plus important c'est le roi il y a des il y a des prophètes qu'on a découpé. Chisse. C'est de Nachis. C'est de On les a découpés par morceaux. Euh, j'en ai parlé l'autre jour ah. avec euh, euh, la femme de Pharaon, comment elle s'appelle encore Asia. Asia. Asia. Asia On n'a même pas vu son. Elle a, elle a jeté une pierre qui fait des tonnes et des tonnes. C'est tombé sur elle. Mais elle, elle sourit. Hein. Mm-hmm. Est-ce qu'Allah lui a montré son, sa demeure au paradis mm-hmm. Rabbi ibn a un baytan fil fil janna wa najini min fir'auna wa amilihi wa najini min al-qawmi al-zalimin. Eux, ils, ils ont vu une femme euh, qui a été réduite en bouillie, démolie. Mais elle, elle sait que l'essentiel est parti. Mm-hmm. Hmm? C'est pour cela. Mais le corps aussi, c'est important. Parce que le corps, c'est comme, euh, comme la terre. C'est comme le monde. Ce monde-là, dit que ce n'est pas important, mais c'est important. Parce qu'il y a le prophète. La terre, elle est puissante. Mm-hmm. Parce qu'il y a le prophète dedans. Sallallahu c'est ça. Le prophète, c'est un hadith du prophète. Le, le dunya, mm. c'est comme un champ où l'on culture, où l'on prépare, où l'on on sème et on récolte notre viatique, euh, euh, nos bagages pour l'au-delà. Donc c'est important. Mm. C'est pour cela que même souvent Allah montre ça. Il y a des, par exemple, un prophète, quand il meurt, on ne le déplace pas. On ne le déshabille pas. On le déplace pas. Leurs corps sont purs, comme le corps de tous les musulmans, tous les croyants. Hmm? La terre ne mange pas leur corps. C'est pour montrer aussi l'importance du corps. Mm-hmm. Il y a même certains Aulia qui ont ça. Il y a aussi des mauvaises personnes qui ont ça aussi. Ils sont tellement mauvais que la terre ne les mange pas. Ah, ça aussi. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Hein. Ce n'est pas qu'on retrouve des corps qui sont des, saints. Hein. <laughs> Il y en a même qui font l'erreur, même ils, savent que c'est de la science. Mm-hmm. Parce qu'il y a des morts quand ils il y a des gens quand ils meurent ici, on met des produits dans leur corps. C'est comme de la momification. Mm. Ils peuvent rester pendant des années dans, sous terre sans, sans pourrir. Mm. Et pourtant, ils ont passé tout leur temps à faire des bêtises. Si c'est au Sénégal, sur le champ, on va après tout le monde. On dit que c'est là, c'est en <laughs> or, or s'ils avaient parlé à un médecin, légiste, un scientifique, même avec un petit niveau, ils auraient, ils auraient expliqué que ils ont mis des produits, ils ont enlevé. Il y en a même on, à qui on enlève tout ce qui est intestin. Les viscères, tout est enlevé. Tout. Pour que, ouais, et en plus, hein? C'est ça. Il faut faire la part des choses aussi. Hein? <laughs> Donc c'est ça. Et regardez bien, euh, je l'ai un peu résumé dans l'ouvrage, mhm. euh, c'est-à-dire pourquoi certains Aulia, leur corps ne pas, pourquoi la terre ne les mange pas C'est parce que, comme sur terre, quand tu manges, tu vois, tu manges, tu fais du sport, tu vis, mhm. ton roi, grâce à l'alimentation que tu prends, le roi vit. Mhm. Ah, le est tellement puissant. le est tellement puissant qu'il protège le corps. Là-bas oui. C'est la même chose. Parce que l'alimentation du roh, en réalité, c'est c'est le dhikr, c'est les lumières, c'est l'estirvar, c'est la récitation du Saint-Coran, c'est les, bonnes actions. Mais c'est des, des, des, lumières qui ne sont actives qu'après la mort. Tous les roh des gens qui vont aller au paradis vont au arches. Le prophète nous l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont dans des vases, heureusement dans des vases de couleur verte. Dans des vases de couleur verte. C'est cela que c'est une couleur très importante. C'est la couleur même de l'existence. Mhm. C'est la couleur la plus puissante sur Terre et la plus répandue sur Terre. La couleur verte. Auprès d'Allah Ta'ala. Maintenant, plus le Ruh avait emmagasiné de lumière ici sur Terre, plus il a la puissance de, de percer les cieux se déploie du 7e ciel. Il y en a qui, qui peuvent dépasser le 7e ciel jusqu'au 6e. Il y en a qui 6, 5, il y en a 4e, il y en a 3e, il y en a 2e. Il y en a qui peuvent percer le, le premier ciel jusqu'à se connecter au corps qu'on a enterré sur terre pour l'alimenter. Non pas en nourriture, mais en, lumière. Et ce corps-là, il revit. C'est pour ça qu'on fait des IARA. Ah, mais c'est ça. Ils vivent, ils, entendent, ils ont toutes les facultés qu'ils avaient sur Terre. Toutes les facultés, tout. Mais dans le domaine spirituel. Ah, le professeur salam il se tenait comme ça. Souvent, il disait, votre frère vous salue. Il parlait de Ja'far. Ibn Abi Il vous salue. Il est avec une corde d'anges, sont en mission. Hmm? C'est la même chose. Ça alimente le corps sur terre. Et ce corps-là a toutes les facultés. Il entend, il voit, il bouge, il fait tout. Il communique, s'il veut, il, même, sort même de la terre. Il sort même du bazar, du rêve, hmm. venir ici et faire ce qu'il veut pour cette raison, on dit que tel saint ou bien telle personne est venue nous voir. Allah, yo, on parle tout. Allah, on parle tout. Je ne Allah, Ta'ala. Oui. Tu peux même assister à la Wazifa au sein de Zikr et Oui, oui. Oui, <laughs> C'est pour ça aussi, Céline, que c'est important d'avoir le, le, les règles bien bienséantes durant les séances de Zikr aussi. Les adapter. C'est important. C'est important. Ah c'est important parce que c'est. Même chez Omar, il a dit ça dans c'est La, la ibada, c'est pour le paradis. Mhm. Mais les adab, c'est pour arriver à Allah. Vous pouvez faire un rappel des règles de, de, à voir durant les séances du zikr ou durant les en en euh, il y, en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais pour, moi, le, plus important, c'est toujours se représenter la présence du prophète. Et le prophète, plus discipliné que lui, plus éduqué que lui, plus correct que lui, plus posé que lui, ça n'existe pas. C'est ça tout, tout, disciple, toute personne que que vous voyez sans adepte, c'est que il n'a aucune connexion avec le prophète. C'est le baromètre. C'est le euh, c'est c'est l'outil par lequel on, parvient à avoir une certaine idée de, de de ce que le disciple a. Plus tu es avec les adeptes, ça montre que plus tu es proche, du prophète. Parce qu'il y a des gens, même euh, si tu es énervé ou bien tu es même indiscipliné, tu parles avec eux, tu te mm, calmes. Tu te calmes. Il y a même des gens qui disent Ah, mais depuis que je suis avec lui, euh, je suis plus calme, je suis plus posé. Mais si des gens comme nous, des pêcheurs comme nous, des gens aussi faibles que nous peuvent faire ça, que dire du prophète Pourquoi dans, le wird on te dit de faire comme si le prophète était devant toi C'est pour certes prendre des lumières de lui, mais c'est surtout pour prendre ses comportements. Parce qu'il y a une façon d'étudier la vie du prophète à travers la Syrah. C'est important. Euh, à travers euh, euh, les livres, à travers les récits. C'est important. Mais le plus important, c'est la connexion avec... Parce que le professeur assalam son imitation, c'est des niveaux. Il y en a qui limitent seulement par ses paroles. Il a dit ceci, il a dit cela. Il y en a qui limitent par ses actes. Tout le monde peut le faire presque, ces deux-là. Parce qu'il y a des gens qui connaissent le hadith mieux que nous, les musulmans, n'est-ce pas qui en ont fait des tests de doctorat même, qui connaissent les sahih mieux que nous. Maintenant, il y a un troisième niveau d'imitation du prophète, et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est ce qui manque aux frères. C'est l'imitation des halles du prophète, de ses états d'âme. Le comportement, ses paroles, ses actes. Tout le monde peut le faire presque. Même des hypocrites peuvent le faire. Tu peux voir un biker, tu crois que c'est un, c'est un musulman. Uh-huh. Vous connaissez les bikers, non Oui. Avec les Allez Davidson, là, la barbe, là. Tu peux croire que c'est un, c'est un imam. <laughs> Or, <laughs> tu vois, tu peux voir un, un, un sensei avec son, mm-hmm. son kimono coupé ici, ici. Tu peux dire, ah, ah j'ai un imam avec moi un grand salafiste avec moi. Or, lui, après, il va prier comme ça. Il va, il va, il va, va te parler de Bouddha. de <laughs> Yakitori, des de, de, de, trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire Donc, l'habit ne fait pas le moine. C'est pas important. Hmm? Ça devient important, la barbe ou bien les autres choses qu'on imite du prophète, quand tu accèdes à ces halles et les, les, tout ce que j'ai dit là ses paroles, ces actes, ces comportements, tu peux les prendre dans les livres, des livres des gens. Mhm. Mais son hal, tu peux le prendre, tu peux les prendre qu'avec les auréas. Qu'avec les auréas. Parce que c'est des choses qu'on n'enseigne pas. C'est des choses qu'on vit. On te met sur la voie pour que tu puisses accéder à ces, à ces ondes-là, à ces, à ces, à ces canaux, que tu te connectes à ces réalités. Et là, plus tu, tu es dedans, plus les halles du prophète euh, t'habitent jusqu'à ce que, Inch'Allah, c'est ça qu'on nous tous à Allah, qu'Allah nous donne ça, jusqu'à ce que tu euh, quelqu'un qui apprend les, les, les, les, les six recueils, qui apprend Sir ibn Hisham, qui apprend Mawahibul qui apprend euh, Rahiqul qui apprend toutes les, euh, tous les livres de sciences relatives à la vie du prophète. S'il te côtoie pendant quelque temps, il va il dit, mais ça, je l'ai appris dans le livre. Lui, il fait comme ça. Lui, il est comme ça. C'est cela qu'on cherche. Ce qui dégage l'odeur du prophète. C'est ça qu'on cherche. Jusqu'à dégager l'odeur du prophète. Et c'est possible. Ça arrive. ça arrive. même dire ces hal. Je parle de ces hal, c'est de, états d'âme. Hmm? Quand le prophète faisait quelque chose, ceux qui l'habitaient en ce moment, ça c'est un héritage. Allah nous donne ça, hmm? Comme ça, on est, on est des, des, des photocopies c'est ça, des vrais musulmans qui se soumettent entièrement à Allah, non pas par imitation, mais par conviction, par euh, certitude, par connaissance, par preuve. Hmm? Tu peux même être euh, muet. Hmm? Même pas éloquent, même pas beaucoup de sagesse, beaucoup de science. Mais c'est ça ça. C'est ça. qui est important. qu'elle nous aide et nous assiste. Ah dans la tijanée, c'est ça qu'on cherche en réalité. Tout le reste, c'est seulement de, de l'habillage. C'est des protocoles, c'est des. Euh, c'est une organisation, C'est mais ce n'est pas la finalité. La mm. finalité, c'est la foi. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo là-dessus. Mm. Mais c'était court, une minute, deux. Mm-hmm. J'ai dit aux frères, répentez vous toujours, à tout moment. N'attendez pas les péchés mm-hmm. pour vous repentir. Non. C'est comme tes toilettes c'est fait pour, fait pour être sali, non mhm. Mais quand c'est sali aussi, ça, doit être nettoyé. Tu dis non, non, moi euh, euh, c'est mensuellement que je vais nettoyer mes toilettes. Ah <laughs> Tu vas créer des problèmes. Mhm. Même si tu ne le fais pas quotidiennement, chaque deux jours comme ça, tu, vois, il y a un minimum. Mhm. C'est la même chose. C'est un exemple un peu sale, mais uh-huh. je parle des péchés. Les péchés sont plus sales ah, que, les toilettes. Les toilettes ne t'amènent pas en enfer, mais les péchés, ça t'amène direct en enfer. Uh-huh. Souvent, c'est des exemples chocs comme ça, <laughs> des déclics. Hmm? C'est comme ça, il faut toujours, faut toujours se remettre en, surtout faire le tauba sans limite. Même quand tu marches dans la rue, même quand tu prends le métro, même en plein travail, mhm. tu dis à Allah, je me réponds. Astaghfirullah wa Tu lui dis ça. Parce que tu ne sais pas. Mhm. Mhm. Et peut-être que ce moment ça, ce moment précis, c'est un moment où il t'a ouvert ses portes pour, que, pour, te pardonner. Demande-lui pardon. Renouvelle ta foi. À chaque moment. Par le dhikr. Et quand tu fais le dhikr, aie l'intention de renouveler ta foi, de réitérer ta foi, pour lui dire euh, Radeitu billahi rabban wa bil dinan wa bi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasulam Allah j'accepte t'es mon seigneur j'accepte le prophète c'est mon prophète J'accepte l'islam, c'est ma religion. Ça, c'est une, Même moi, mon grand-père, quand il donnait le mur, c'est ça qu'il disait à la fin. Il ajoutait maintenant ah. hmm. C'est ça. Ah. Toujours, sans limite. On ne sait jamais surtout en ces moments-là, hmm? on ne maîtrise rien. On ne connaît rien. Une petite maladie, un petit virus, un petit truc peut te tuer en quelques minutes. Hmm. Sans raison. regardez bien, euh, quand il y avait des maladies comme ça, tous ceux qui étaient des ministres, des, gens haut placés, ils ne mouraient pas. Hmm. Non On les soignait bien. Sinon, on on les amenait ici. Ah, on les évacue ici. Ils sont bien soignés. Mais ici, ils meurent plus qu'au Sénégal. C'est sûr qu'en euh, Afrique, là, si le virus était seulement en Afrique, tous les gens là que vous voyez au, Sénégal, euh, dans nos pays là, ils allaient venir ici. Mais ils ont peur. Et le, virus est en train de jouer de nous. vois, il y, a des moments comme par exemple euh, vers la Tabaski comme ça. Il y avait plus ici. Mmh. Il y avait presque rien au Sénégal. Et deux mois après, <laughs> ça a changé. <laughs> Les gens qui étaient allés là-bas pour se cacher, ils ont voulu rentrer. Uh-huh. Parce qu'il y avait plus là-bas. Uh-huh. Et là, vous voyez, il y a des moments qui sont comme ça, au milieu. Uh-huh. pour vous dire qu'on ne maîtrise absolument nothing. Nada. Donc, la solution, c'est quoi C'est toujours être connecté à Allah, demander pardon à Allah, faire le tawbah, sans jamais hésiter, jamais se poser des questions. Savoir que tous nos péchés peuvent être dissous dans les profondeurs de la miséricorde d'Allah, qui est sans limite. Même, euh, même les océans là, ils sont sans limite. Et maintenant que dire de la rahma d'Allah, c'est ça qui est important. Hmm? C'est ça, on ne maîtrise rien, c'est pas facile. Hmm? beaucoup d'incertitudes, beaucoup de surprises. Il y a des gens que tu vois qui sont bien portants et tout cela, or ils sont malades. Il y a des gens que tu vois malades, ils sont bien portants. Hmm? Seul Dieu sait ce qui se passe dans nos corps. Hmm? On inocule des choses, on prend des vaccins, on ne sait pas. Il n'y a aucune certitude dedans. Pourtant, on prend. Les médicaments qu'on prend, on ne sait pas. C'est le monde qui est comme ça. Donc, c'est pour cela qu'il faut toujours être. Euh, il, faut, il faut être dans le bien, quoi. le Faire le bien, dire le bien, hmm, être avec les gens qui aspirent au bien. Hmm. C'est ça. Comme ça, quelque chose qui, ce qui se passe dans notre vie, on n'a pas de, surprise malheureuse. Que la nous aide nous J'ai essayé de Sallallahu alayhi wa S'il y a des questions, je suis preneur avant qu'on fait la wazifa, Inch'Allah. Hein? Euh,

sagesse derrière le fait que les prières sont réparties en 2, 4, 1, 4, 3, 4 Enfin, si on sait s'il y a une sagesse. Ouais. Ouais, ouais. Ah. Maintenant, c'est ça un peu le problème. Parce qu'il y a des. Il y a des longues, des longues causeries que j'ai faites en français, en arabe sur ça. Inch'Allah, je vais dire un Ndiogo, il va retrouver une causerie euh, de plus d'une heure sur, sur les prières. Et la sagesse qui se cache derrière ces nombres-là. il faut lui donner ce cette causerie là je l'ai fait en wolof en français et plusieurs fois même donc il va te le remettre je vais te donner l'idée générale. Inch'Allah, après la, la, causerie, ça va te, tu vas avoir beaucoup d'informations là-dessus. Mais en réalité, euh, la première des choses, c'est que la, la, la, la, grande sagesse, c'est que c'est un ordre d'Allah. Du moment que c'est Allah qui l'a ordonné, mais c'est rempli de sagesse. Parce qu'Allah, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, euh, c'est comme ça il va pousser donc les mettez-vous là mettez-vous là sur le sur le fauteuil comme ça après inchallah Allah va vous descendre le temps que les frères boivent leur café c'est bon waaw sori donc euh, euh, ça c'est la première des sagesses et ça suffit non c'est Allah qui l'a ordonné. Souvent, euh, il faut aller à l'essentiel. Regardez bien, la deuxième sagesse, c'est que, euh, pour moi, souvent, quand je fais mes ablutions, le seul, euh, non, c'est pas le seul honneur, c'est l'honneur que je sens, que je ressens dans mon cœur, c'est que le prophète faisait comme ça. Non, pas pour se purifier, hein. il est pur lui. Mais pour nous apprendre, nous, à nous purifier. Et quand je prie aussi, je suis très content. Je dis, je fais les mêmes actions que le prophète faisait. Et cela me suffit. Il faut arriver à ce, à ce sentiment. Hein. Il faut arriver à ce sentiment. C'est un sentiment très noble. Et si tu arrives à ce sentiment, la prière n'est plus lourde pour toi, comme Allah l'a dit dans le Coran. La prière est une action lourde, mais seulement elle n'est pas lourde pour ceux qui, qui craignent Allah, ta'ala, ceux qui connaissent Allah. Léger pour les coins. Hmm? léger pour les coins. C'est ça, c'est léger. Ça fait du bien ça, ça apaise, ça soulage, ça... Hein, ça donne beaucoup de... Parce que quand tu dis Allahu Akbar, Allah est au-dessus de tout. Tes angoisses, tes problèmes, tes difficultés, l'argent, la richesse, tout ce que tu peux connaître sur terre, Allah est au-dessus. Donc ça, et Allah, comme j'ai dit souvent, c'est comme le feu. Mais on ne peut pas semer dans le feu. N'est-ce pas On ne sème pas dans le feu. Si euh, les, angoisses, les tristesses, tous les problèmes sont devant Allah, ils disparaissent devant Allah. il ne subsiste qu'Allah. Donc ça, c'est la deuxième sagesse. Et c'est cette deuxième sagesse même qui va euh, qui va être euh, l'explication de tout ce qui suit. En réalité, les prières, la prière du souk, les prières du zohr, les quatre rak'at, les prières de asr, les prières de, de les, la, prière de les rakats, je veux dire, la, prière de et le shafa et le, et c'est ça, non Tout ça, c'est le prophète. C'est pour cela que je dis, Allah, il nous dit dans le Coran, Fais la prière pour te rappeler de moi. Et en réalité, ce zikri là, ce rappel là, c'est la reconnaissance envers Allah. La prière, c'est un mot. il y a euh, les frères même qui, qui euh, met ça en statut souvent, parce que c'est une, parole, c'est une ancienne parole que j'avais dite il y a longtemps, il y a plus de dix ans, que l'abandon de la prière, c'est le summum de l'ingratitude. C'est le summum de l'ingratitude. Pourquoi Là, j'ai caché quelque chose dedans. Je veux seulement dire que la prière, c'est quoi C'est de la gratitude. La prière, c'est Alhamdulillah. Et je l'ai expliqué de manière plus ample. Qu'est-ce que j'ai dit Regarde, la première prière, les deux rakats là, c'est qui qui, les a faites les premiers sur terre ah. C'est Adam. C'est Adam alayhi salam. Quand il est descendu sur terre, c'était tout noir. Il ne même plus se voir. Il ne voyaient rien. Ce n'est que des arbres, des animaux. Il avait peur. Il croyait que son existence sur Terre allait continuer comme ça. Il croyait que la nuit allait continuer comme ça. Même le Coran, Allah nous dit dans le Coran, si j'avais laissé la nuit continuer, <laughs> Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé Il a commencé à voir les lueurs du, du matin. Il a commencé à voir les arbres. Il a commencé à reconnaître des trucs. Il a dit, ah d'accord. Cette obscurité-là, c'était momentané alors. Sur le champ, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est prosterné devant Allah. Il a fait deux rak'at pour rendre grâce à Allah. Hein? Donc, la prière, c'est Alhamdulillah. C'est ça. Sedna Ibrahim alayhi salam. On l'a mis dans le feu. Lui aussi, quand il est sorti, il a fait quatre rakats pour rendre grâce à Allah. C'est Yunus, alayhi salam, on l'a mis dans, le, dans, la, mer, dans le ventre du, du poisson, de la baleine. Quand il est sorti, il a fait quatre rakats. Le la Asr. C'est Hein? Qu'est-ce que à quoi on lui a, on lui a collé que le motif à tort C'est là la, euh, Trinité. La Trinité. Pour se débarrasser de tout ça, il a fait trois, trois La première rakat pour dire moi je ne suis pas Dieu. La deuxième rakat pour dire ma mère n'est pas Dieu. La quatrième rakat pour dire Dieu est Dieu. C'est le, le, c'est la, c'est quelle prière C'est le Maghreb. C'est la même chose pour l'Aïcha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la même chose pour euh, le, le Shafa. Aussi, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait quand, euh, quand il a fait l'Isra ou le naaj mm. Pour avoir tout ce qu'il a fait le huître aussi, c'est une prière aussi. Quand il partait, il l'a fait avec les, le, avec les prophètes, le huître, à son retour, il l'a fait pour la grâce à Donc il y a les causeries sur YouTube, avec les détails et les explications, les versets, les hadiths qu'il y a dedans. Peut-être que même je me suis trompé dans le, dans c'est possible. Mais l'idée, vous l'avez comprise, c'est rendre grâce à Allah. La sagesse qui se cache derrière cette délimitation, cette organisation des prières. 2, 4, 4, 3, 1, 4, 2. C'est. Alhamdulillah. C'est pour cela que hein, tout le secret du monde se cache dans Alhamdulillah. Tout. Everything. Tout. Tout est dans Alhamdulillah. Hmm. C'est pour cela qu'Alhamdulillah, c'est ça que les awliya cherchent. C'est le secret de Alhamdulillah qu'il cherche. C'est lui qui le connaît, il connaît tout. Tout. Notre relation avec Allah, c'est Alhamdulillah. Même dans, une de mes, dans, un de mes poèmes, dans une de mes qasidas, j'ai même évoqué ça. Mais c'est c'est des, des vers. Donc tu peux chanter comme ça. Mais ce n'est pas des vers. Hmm? Pendant longtemps, j'ai cherché pourquoi le prophète, il a, il a cette euh, supériorité sur tout le monde. Qu'est-ce, comme ta question, qu'est-ce, qui est derrière Mais en réalité, j'ai fini par découvrir que c'est, que c'est le meilleur loueur. Mohammed. Parmi tous ceux qui louent Allah, c'est, lui seul qui, qui peut louer Allah dans son essence dans ses noms, dans ses épithètes et dans ses actions. C'est le seul qu'il a fait. Et là, c'est là qu'on voit le, Hamid, le loueur, le Ahmed, le Ahmed, qui est le maire des loueurs, et le Mohammed qui devient même loué. Lui-même, c'est Allah qui a fini par le louer. Mahmoud. Mahmoud, c'est. Euh, Ahmed, c'est Mohamed, c'est la même chose. Hmm. C'est dans une autre euh, déclinaison, Mahmoud, Maf'oul. Muhammad hmm. aussi, c'est Maf'oul. Hmm. C'est ça. Mufa'al. Donc, c'est les trois stations du prophète Quand il a loué Allah, et quand, il a, quand Allah a rassembler tous les loueurs et il est sorti le premier. C'est Ahmed. Son troisième niveau maintenant que personne n'a, c'est Mohamed. Allah a fini par le louer. Radiallahu anhum wa radu anhu. Ça c'est pour nous. Mais le prophète, il a sa station spéciale par rapport à cela. C'est pour cela que, comme je l'ai dit encore, euh, الحمد لله jéem la te ku jéem yaa roy Muhammad ah alhamdulilahi jéem la te ku jéem yaa roy Muhammad ah lu ma teg te ku jéem yaa roy Muhammad ndax doole moom moo di Ahmad j'ai dit que la force du prophète c'est Ahmad c'est Ahmad Hamid c'est son travail Mohammed, c'est la consécration. Mais ce que lui a donné le Mohammed, c'est le Ahmed. Parce qu'il est sorti du lot, quoi, de parmi les lois. C'est le premier. Parce, que, parce que tous les autres domaines, Allah, il aime ça. Mais ce, que Allah, le, domaine qu'il aime le plus, c'est le domaine des louanges, c'est la reconnaissance, c'est la gratitude. Regardez bien, même avec le nom du prophète, vous voyez, le, le, le Ahmed, c'est quoi Le Ahmed, c'est une fusion avec Allah. Le Ahmad, c'est Ahad, avec le mime au milieu. Et le mime, qu'est-ce quelle est la différence entre Ahad et Ahmad C'est que Ahad ne meurt pas et Ahmad, il meurt. C'est le, mime de la, mort C'est le mime de, la mort. En français, même la, mort, c'est M, comme mime. Attention. Ahad et Ahmad, c'est la même chose. Mais Ahad, il ne meurt pas. Il est là avant tout. Et il sera là après tout. Or, Ahmad, il meurt. C'est son mime là qui le différencie de Ahad. C'est pour cela que les Aoulias, ils disent Kouloulaou ou Ahmad. Au moment où toi tu dis Kouloulaou ou Ahad, ils savent ce qu'ils disent. Hmm. Hein? <laughs> C'est ça. C'est pour cela que quand tu connais le sens vraiment de Ahmad, quand tu connais vraiment ce que le, prophète, ce qu'il symbolise, ce qu'il représente, tu verras que même le, le Rahman Rahim, c'est le prophète Mohammed. Quand tu dis Bismillah Rahman Rahim, le Allah et le Rahman et le Rahim, ça parle du prophète. Mais ça, hein, <laughs> ce n'est pas des explications <laughs> qu'on donne à tout le monde. Hmm. Pourtant, c'est simple c'est simple c'est pour cela qu'il faut pas rapidement entendre les awliya dire, quelque chose et que tu dises euh, c'est du shirk c'est parce que tu ne comprends pas. Mhm. Demande-leur, ils vont, s'ils veulent, ils, t'expliquent. S'ils ne veulent pas, vont, ils vont te laisser comme ça, tu vas aller en enfer. Parce que si Allah veut sauver quelqu'un, il ouvre son cœur, il met les awliya dedans, ou bien un wali dedans, il va les mettre. Si Allah veut amener quelque chose, quelqu'un en enfer aussi, il va, il, va, il va te faire détester un de ses saints. Automatique. Il y a des gens, tu les entends, tu sais qu'ils ne parlent même pas de science. C'est parce qu'ils détestent. Souvent, j'en parle à nous, Je lui dis, ah, lui, c'est un, un savant, il veut seulement parler de science. Mais il y en a d'autres, je le dis, lui, il déteste, déteste il déteste Cheikh Il le déteste. Et chaque fois que tu vois comme ça, c'est qu'il a déjà pris son passeport vers l'enfer. <laughs> Direct. <laughs> Visa temporaire. Visa à durée indéterminée. <laughs> c'est ça. Tu n'as même pas de carte de séjour. C'est de la nationalité directe. Nationalité enfer. Direct. Direct. On ne peut pas t'exclure. Tu es français, c'est fini. <laughs> tu votes comme Sarkozy, comme les autres. En enfer, C'est pour cela que c'est ça. Il y a des gens, ils peuvent critiquer, mais euh, dans le domaine de la science. Mhm. Ça, on peut les écouter, on peut comprendre. Mhm. Mais quelqu'un qui explique et tu sens la détestation, la haine, l'irrespect. Mhm. un, maître comme Chartiani, tu parles de lui, tu dis le, Tidjani. Tu, tu oses même pas dire Ahmed Tidjani parce que tu connais le sens de Ahmed. Mhm. Tu dis même pas Cheikh Tidjani parce que tu connais le sens de Cheikh. Tu dis ah, Tidjani. Et même, c'est parce qu'ils sont nuls. Même parce que s'ils savaient le sens de Tijani même, ils n'auraient même pas insulté Cheikh Tidjani. C'est le Taj. C'est hein? ce que les rois portent et les reines sur leur tête pour montrer que c'est des rois. Hmm? C'est la couronne, non hmm. C'est ça. Ça dit Arifin. c'est ça. Hmm. C'est la couronne de tous les connaisseurs d'Allah. Donc c'est pour cela, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes, au, temps du prophète, les ils insultaient le prophète, ils l'appelaient Muzammam. C'est celui qui est rempli de, défauts, quoi. C'est lui qui est critiqué partout, hein. euh, insulté partout. Et le prophète disait aux Sahaba, ne vous énervez pas, ils ne m'ont jamais insulté. Ils insultent Mousamam et moi je ne m'appelle pas Mouzamam, je m'appelle Mohammed. C'est comme en France quand il appelle Mohamed. C'est ça, c'est la même chose. C'est une protection. J'ai fait la même chose au ah Sénégal quand je suis parti. tu peux parler un petit peu. Quand j'étais à, la désestivie, ah ça a bouleversé le pays. Parce que tous les gens étaient en train de, pleurer, de faire des marches, de crier partout. Ah. Le prophète, moi, on m'a invité, je leur ai dit, calmez-vous. Ces gens qui insultent le prophète, ils ne peuvent pas l'insulter parce qu'ils ne peuvent pas l'atteindre. Si par exemple un Chinois vient ici et il, il m'insulte, il peut rester là à m'insulter jusqu'à la fin des temps, mais moi je ne comprends pas les insultes en chinois. Donc, il ne m'insulte pas. <laughs> je peux lui dire même chichi, merci. Or, il est en train de m'insulter. Uh-huh. Je ne vais pas m'énerver parce que je ne sais même pas qu'il m'insulte. Que voyez ce que je veux dire Et je leur ai dit, ça, c'est des combustibles. sont en train de d'enflammer l'amour du prophète dans le cœur des gens. Ah. Beaucoup de gens vont faire des recherches sur cette personne-là qu'ils sont en train d'essayer d'insulter. Et beaucoup de gens vont se, convertir à l'islam. Je leur dis, regardez ça, c'est ça qui est plus important. Ah, ah. une seule personne qui passe par ces insultes-là pour entrer dans l'islam vaut mieux que toutes vos marches-là. Ah. Et ensuite, j'ai fait un peu de, de, science po, hein, je leur ai dit, mais vous là, vous dites que vous, vous voulez... Euh, comment on appelle ça euh, le fait de ne plus acheter des produits d'un pays. Boycotter. Vous voulez boycotter la France J'ai dit, vous voulez boycotter la France Or, tous vos, toutes vos archives sont en français. Tout ce que vous avez, c'est français. Votre français, c'est le français. tout chez vous, c'est français. Chamalière. Votre armée là, les officiers, c'est français. Tout, tout, tout, tout chez vous, c'est français. Les produits qu'on mange, c'est français. Même notre manière de penser, c'est français. Il faut boycotter ça. Je leur dis, si vous boycottez, boycottez les mauvais, les mauvais comportements des Français. Ce qu'on a hérité des Français et qui n'est pas bien. Ce sourire euh, diplomatique faux. Narcissique. Narcissique, c'est ça. Hein? Le narcissisme, uh-huh. hein? la fausseté, uh-huh. hein? le discourisme, l'hypocrisie. Ça, on a hérité de ça. C'est ça qu'on doit boycotter. Sournois. C'est ça. Je le dis boycotter ça et boycotter leurs armes. Ça, c'est aux politiques. Ça, je n'ai pas insisté, hein, parce que je voulais rentrer aussi. <laughs> si j'insiste encore, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont m'attendre là-bas à l'aéroport. Ils vont dire Ah, ça, c'est, venez, <laughs> venez, monsieur Indiéguéné, venez, venez là. On, va regarder ah, oui, ils vont te retarder jusqu'à ce que tu perds ton vol. Ou bien ils mettent un peu de poudre blanche dans, tes, bagages et ils te, mettent en prison. Hmm. ils sont puissants. Mais, eux, ils savent les codes. Moi, je sais parler. Je, je, ai dit, boycotter leurs armes. Boycotter leurs renseignements. Boycotter tout ce qu'ils font. C'est ça le vrai boycott. Mais boycotter la vache qui rit, boycotter les, <laughs> les Danone. Mais nous, au Sénégal, qu'est-ce qu'on représente sur tout ce que Danone produit même pas 0,0,0,01%. Et, qu'est-ce qu'on va manger après Si on a des problèmes de, de trésorerie, c'est eux qui, qui viennent secours. Uh-huh. Si on a du, je leur dis, mais regardez ici, à Dakar, s'il y a des feux, c'est l'armée française. Uh-huh. Il faut être euh, raisonnable, raisonnable et sérieux. Et ne pas engager les, les, gens dans la rue. Et s'il y a des, maintenant des problèmes, les gens vont mourir. Uh-huh. Pour rien. Moi, je ne suis pas pour ça. Hein. Le prophète est plus important que ça. Uh-huh. Donc, ils sont pas insultés, le prophète Mohammed, ils ont insulté Mouzamman. Et Mouzamman, nous, on ne connaît pas Mouzamman, nous. Nous, on connaît Mohammed. Ah, l'homme le plus aimé au monde. Le nom le plus utilisé au monde. Allez en Belgique et vous allez savoir. Allez en Saint-Denis et vous allez savoir. Allez à la mairie, <laughs> à la maternité, <laughs> vous allez voir. Tous les nouveaux-nés là, c'est des Mohamed. Hein? C'est ça. Donc, euh, euh, c'est pas seulement une sagesse, mais beaucoup de sagesse. Mais si on peut résumer en une sagesse, c'est le fait d'être euh, grâce. de rendre grâce à Allah, de fait d'être reconnaissant. La prière, c'est la reconnaissance envers Allah. Mhm. C'est le secret qui se cache dans la prière. Et c'est pour ça aussi que dans la Fatiha, ils disent qu'il faut euh, lier euh, du coup euh, Bismillah al-Rahim, Alhamdulillah, genre la ligne, Rahim, Alhamdulillah. C'est pour ça qu'il faut le lier. Parce que mais Rahim et la, la c'est intrinsèquement lié dans le prophète. Sallallahu Et, j'ai une question par rapport à Ahmed. Du coup, c'est, ça, est-ce que ça annonce également la venue de Sidi Chir, le fait que l'un des noms de Mohamed, c'est Ahmed ouais, Il y en a qui disent ça, parmi les Tijani, quand ils, quand ils, quand ils sont un peu le corps chaud, ils parlent de ça. <laughs> Mais il y a beaucoup d'Ahmed qui sont venus avant notre cher Tijani, bien que lui aussi, ça, il, a, il a sa Ahmadiyya aussi à lui, qui est qui est un niveau très caché mhm. dans la Mohammedia du prophète Parce qu'en réalité, ça c'est bon, c'est pas des choses euh, qu'on peut dire publiquement, mais la, la, du prophète, c'est en réalité mhm. C'est la 4000 chez nous. Mhm. La 4000 c'est la Ahmadia C'est la même chose. C'est la même chose. Parce que c'est ça la force du, du, parmi tous les awliya. C'est que là où est, où est le prophète, il est là. Ah oui, oui. Là où le prophète, il est là. C'est l'exemple que je donne souvent, c'est comme euh, la femme qui est enceinte. Si tu lui donnes un rendez-vous, c'est un rendez-vous, non Une audience. Mm-hmm. Là-bas, c'est aux Élysées. À l'Élysée, non À l'Élysée. Oui, oui. Ou bien euh, au bureau ovale. Euh, Maison Blanche. Oui. Est-ce que tu peux lui dire, tu viens pas sans, ton bébé. Mm. <laughs> c'est pas possible. Ils demandent même pas. Ils n'ont même pas le droit de, de voir si c'est un garçon ou une fille. Donc, si tu es avec le président des États-Unis, le président de la France, le roi du Maroc, le roi. Mais si tu es enceinte de deux mois, de un mois, de même de 15 jours, je ne sais pas, mm-hmm. de neuf mois, mm-hmm. ton enfant, il assiste à cette audience. C'est-à-dire qu'il a déjà des privilèges avant sa naissance. C'est ça. certian c'est comme ça avec le prophète. Là où est le prophète, il est avec lui. Il est caché. Mm. C'est pour cela que les autres prophètes le respectent. Ils le respectent. Parce que quand ils le voient, ils voient le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Mm autre question? <laughs> C'est rempli. Et ça a été clair C'est ça qui est important. Et en plus, Céline, sur ces gens aussi, il a branché, il a, moi je dirais, il a parrainé ses disciples au prophète. Parce qu'il les a mis dans la prière constante du prophète, les la prière sur le prophète tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, comme je dis souvent, euh, euh, le prophète sa mission, c'est de faire connaître Allah. Pour qu'on l'adore, mhm. exclusivement. Mais cher sa mission, c'est de faire connaître le prophète. Mhm. C'est ça. C'est pour cela que quand on fait la prière, après on fait la wazifa. La prière, c'est pour Allah. La wazifa, c'est pour le prophète. Mm. <laughs> c'est comme ça. Chaque fois qu'on adore Allah, on honore le prophète. Que chaque fois qu'on qu'on adore Allah, on prie sur le prophète. Vous voyez ce que je veux dire euh, C'est pas une liaison entre Allah et illallah Muhammad Rasulullah. C'est ça. Mais la tijani c'est ça. La tijani c'est la ilaha illallah Muhammad mm-hmm. C'est la charia et la haqiqa. Mm. On pense c'est tout. Mm-hmm. C'est ça. Maintenant, avec euh, des déclinaisons, des explications, des compréhensions, euh, chacun avec ce qu'il peut tirer de ça. Vas-y, n'hésite pas. Non, c'est juste fort. C'est très, fort Ah, c'est plus que fort. Donc la prière, c'est pour Ar-Rahman, Ar-Rahim. Quand on finit la prière, on prie sur celui qui symbolise الرحمن الرحيم معنا اللهم صل وسلم على عيني رحمة رب العالمين رحمة رب العالمين سي لو عين كي كي ديفيني تو سي سا عين الرحمة عين الرحمة سورس دي لا ميزيريكو سي لا سورس سي لو سيمبول سي لو سيمبول باسكو لو مو عين لابا سي Il y a beaucoup de sens. c'est la source, c'est le manba, c'est l'origine, mais aussi c'est le symbole. Celui qui, euh, qui représente cette rahma d'Allah. Si tu le cherches partout dans le monde, tu ne vas, tu pas la, tu, tu, la cherches, tu vas pas la trouver. Mais si tu connais, tu vas voir le prophète Mohammed. Si tu connais les propriétés de, de cette rahma-là, tu trouves tout chez le prophète. Qui, ah, qui est la rahma d'Allah personnifiée. C'est le bon terme. Personnifiée. Tu ne vas, jamais le trouver. C'est comme les mules. Les mules dans la drogue. Un mule, il peut prendre un kilo de drogue dans son ventre. Et mhm. Mais lui, en ce moment précis, s'il a tout pris, c'est lui la drogue. c'est vrai. S'il passe, c'est lui qui est passé. Hein. Mais ceux qui savent, lui, il sait que c'est pas lui qui est passé. C'est quoi qui est passé C'est la drogue qui est passée. Si on le prend, on prend la drogue. On prend qui On prend quoi La drogue. La drogue. Et si on l'arrête, c'est à cause de la drogue. C'est à cause de la drogue, monsieur. C'est la même chose. L'exemple est mauvais, mais il le faut souvent. Ah. <laughs> c'est ça, il le symbolise. Hmm. Même quand tu avances, Moi, je dis souvent que c'est comme euh, un tronc d'arbre que tu donnes à un sculpteur uh-huh. qui sculpte avec les bûcherons chez nous. Uh-huh les artistes ici, taf, taf, taf, taf, taf. Trois jours, quatre jours, une semaine, tu reviens, et te donne une forme humaine. Mm. Mais c'est un arbre. On a sorti la tête, et puis c'est ça. Le prophète, c'est comme ça. La rahma c'est comme un tronc d'arbre. Et Allah, maintenant, il a pris son marteau. Je mets l'exemple. Taf, taf, la tête, taf, taf, les pieds, taf, taf. Et bon, tout, il a dit à cette sculpture, soit Muhammad. même dans le hadith, c'est le plus simple. Kouni Muhammadan, sois Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, Inch'Allah. Mahmoud, s'il y a des questions Voilà, vas-y. amul moom dem na bu yàgg Abdelaziz bismillah Ibrahim Ce que je voulais juste savoir, c'est euh, quand on dit euh, La qu'est-ce qui est la de le, le, le, Ça renvoie à quelque chose qui est, qui est devant. Et le rou ça renvoie à quelque chose qui est absent. C'est quoi cette différence Quand on, quand euh, des mortels le dit, et quelqu'un qui euh, utilise. Si tu leur dis de faire euh, une analyse grammaticale, ils ne peuvent pas faire. Pourtant, ils ne font pas de faute. Hein. Hmm. Ils disent je veux boire ceci. Je, ils disent je veux boire. Ils ne disent pas je veux boire. Ils disent qu'est-ce qu'ils font en train euh, de, de, de faire ceci Non. Ils respectent. Là aussi, c'est une manifestation de la miséricorde d'Allah comment les enfants connaissent les règles grammaticales sans les apprendre. En Wolof comme en français, comme en Banyamulenge, dans toutes les langues, hein. ça, ça, mérite des études. Hein. Euh, donc, la différence entre un, adulte qui a son baccalauréat et un enfant euh, qui, euh, qui est en maternelle ou bien en sixième, c'est que celui-là, il connaît les règles et il peut les expliquer l'enfant, il, applique les règles sans, même savoir que c'est des règles. Mhm. C'est à l'école qu'il va comprendre qu'il y avait il, euh, euh, vous, tu, nous, euh, le subjonctif. Même il y, a, des personnes âgées, hein. tu leur parles de subjonctif, ils te disent c'est quoi. Pourtant, ils utilisent ça toujours. Mhm tu, tu dis, ah, tu, tu as parlé euh, à l'imparfait. Il te dit, c'est quoi Moi, je ne suis, pas, je pas imparfait. Je... <laughs> Pourtant, il a parlé à, l'imparfait. C'est ça. Donc, ils ne peuvent pas l'expliquer. Donc, la, le problème, c'est la personne qui, qui, qui dit ça, mhm. sa conscience par rapport à sa communication avec Allah. Et même quand tu regardes dans le Coran, mhm. le cela il c'est la ilaha illallah, c'est quatre, C'est la ilaha illallah. La ilaha illa hu, la ilaha illa anta, et la ilaha illa ana. Et quand tu contractes les quatre là, hein, <laughs> ça c'est des, c'est des choses que les, que les connaissent, moi je ne connais pas. Euh, euh, hein. les quatre là, quand tu, tu rassembles ça, c'est. Ah. C'est par niveau, par pays, C'est ça. Donc c'est lui qui dit la ilaha illa ana. C'est pas lui qui le dit, c'est Allah qui le dit. Hmm. La ilaha illa Il est en train de chercher où est c'est lui. Mhm. C'est l'autre. Oui, c'est l'autre. Mhm. La ilaha illa anta. Ah, il est devant lui. Pourtant, il ne s'est jamais absenté. Qu'est-ce qui reste encore Et la ilaha illallah, c'est pour tout le monde. Mhm. C'est les 4 degrés de la ilaha illallah. C'est pour cela quand ton prophète dit la ilaha illallah ou bien la ilaha a et moi quand je le dis c'est pas la même chose. Les cartes, nous tous, nous avons des cartes bancaires, mais il y a des différences. La carte de Célia, n'est pas une carte. Célia, c'est une gold. Tu vois 10 000, euros. C'est à partir de 10 000 euros. <laughs> moi, ma carte, s'il y a 500 euros, mais c'est la fête chez moi. tu vois Et Célia, elle commence par 10 000. <laughs> tu vois hein? <laughs> Pourtant, elle a sa carte, j'ai ma carte. Si on fait un achat de 30 euros, des, des, des, nuggets ou bien des, des wings, mhm. Mhm. mais elle peut payer comme je peux payer. Mhm. Mais il y a des. Il y a des. Il y a, y a des y a... limité. Ah Ah Il y a des moments où, vraiment, on va dire, on attend à la grande Célia. <laughs> on attend. Parce que si je mets ma carte là, ça va être bloqué jusqu'à la fin de ma vie. C'est clair. Hein. Ça va être fou. Les machines là vont devenir folles. Ils vont tous bugger. Tu vois Ils vont bugger. Euh. C'est la même chose. Donc chacun dit, c'est comme là, là, chacun le dit selon son niveau. Euh, euh. même tout, tout dans l'islam, c'est ça. Chacun le dit selon son niveau. Quand Allah dit, mais surtout, craignez Allah, la crainte du prophète, la crainte des sahaba, la crainte des awliya, notre crainte, c'est pas là, ou c'est pas la même chose. Pourtant, c'est ce ittaqullah, la craignez Allah, nous tous, nous sommes dedans. Mais mhm. chacun avec son niveau. Mhm. Comme on dit, nous sommes en récréation. Nous sommes tous dans la cour. Mais quand la sonnerie va retentir, chacun retourne à sa classe. <laughs> Et chacun connaît sa classe. Hein. Attention. Hein? C'est la même chose. Donc, euh, la la subhanaka de Sedna Yunus, ça c'est le niveau c'est la grande proximité. Et le wa sallam, il faisait même une sorte de parallélisme entre son zikr, hein, c'est mhm. et lui, le prophète, son zikr au mhm. ciel. Parce que lui, il était au, fond, fin, euh, au fin fond de la mer. Mhm. Lui, il était euh, au plus haut niveau du ciel. Et Allah nous dit dans le Coran, s'il n'était parmi, n'était pas parmi ceux qui euh, glorifient Allah, mhm. il, serait resté dans la mer, dans le ventre de la baleine, jusqu'à la fin de l'existence. Mhm. Jusqu'à, jusqu'au jour du jugement dernier. Mhm. Jusqu'au jour de la résurrection. Et là aussi, il faut faire des études sur cette baleine-là c'est une baleine qui peut vivre jusqu'à la fin. Et là, il y a eu pardon. Hmm. C'est pour cela que là, si on comprend bien, on sait qu'on ne parle pas de baleine. C'est pas le nous. Hein? C'est pas le nous. C'est le nous. Le nous. Le nous, oui. Hein? <laughs> vas-y. Non, mais si, parce que juste que je suis même en train de, de voir même le parallélisme dont vous parlez, par mhm. exemple sur la la ilaha illallah, mhm. par exemple euh, le verset 57, mhm. Al-Hadid. Mmh. la sourate 57 ahadith voilà le faire le troisième verset mmh. il dit que wal awwal wal akhir wal zahir wal batin n'est-ce pas et donc en fait le, en quoi est-ce que ça pourrait être là euh, une symétrie mmh. avec la la ilaha illallah voilà ça ça quand même tente de, de méditer sur ça mais toujours rien quoi donc, maintenant, maintenant, je, je voulais voilà, <laughs> est-ce qu'effectivement il y a une ressemblance ou pas euh, euh, c'est ce le fait qu'il soit le premier, le dernier, l'apparent. Comme le caché. Ouais. Et aussi, on sait que la la ilaha illallah, mhm. c'est que voilà, rien n'est là. En fait, euh, traditionnel. Il n'y a qu'Allah qui est là. Il n'y a qu'Allah qui est là. Ouais. Mhm. D'accord. Est-ce que donc il y a, il y a, il y a, il y a une relation ou pas Moi, je veux savoir. Normalement, tu as, compris sa question Oui. Mmh. Oui, c'est ça. Donc, euh, tout à l'heure, ça, c'est le c'est les les, les, euh, c'est comme ça qu'ils raisonnent, c'est comme ça qu'ils euh, euh, abordent certains versets, certains mots du Coran pour aller vers ce qu'on appelle le substrat, la sève, non pas l'écorce, non pas, non pas les feuilles, même pas les fruits, mais la sève qui fait nourrir l'arbre. C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai parlé de Ne touchez pas, vous deux, à cette arbre. Or, en réalité, c'est pour leur dire euh, ne touchez qu'à cette arbre. Mhm. Touchez à cette arbre mhm. pour sortir, pour que le monde puisse exister. Mhm. Parce que je veux, que le monde existe et il faut une, cause. Donc, cette balade-là aussi, comme je l'ai dit, euh, c'est pas seulement un animal. C'est pas seulement un. On les appelle des cétacés, non C'est ça normalement, C'est les, baleines, les. On les appelle encore les dauphins, les. requins. Euh, en réalité, cette, cette, cet animal, cette, cette, cette baleine, en réalité, c'est c'est notre nafs. C'est notre nafs. Hum. C'est notre ego. Hum? C'est notre nafs. Hein? Lui, il parle de nous Le nafs. Hum? Le nafs commence par le noun Et l'animal, le nous même, euh, cette, baleine-là, bon, il y a, euh, ça, j'en avais déjà parlé. Ça vous fatigue. C'est quand on parle de la création, de, de même l'organisation de la terre. Mhm. un euh, dernier lieu, il y a cette, euh, cette baleine, ce poisson-là, cette, cette, baleine. Et le professeur sallam on lui a demandé quel est le premier mets qu'on va manger dans le paradis. Il a parlé du, foie. C'est pour cela qu'il faut voir que, il faut bien comprendre que ce n'est pas une baleine. Mhm. Une baleine qui peut nourrir tous les habitants du paradis. Ah, 100 fois seulement. 100 <laughs> fois. Tous les gens du paradis vont manger de son foie. Ah. Mhm. Hmm? Mhm. Ça, c'est autre chose. Il faut creuser. Mais pour nous, cheminants, il faut savoir que cette baleine-là, cette mer obscure, cette baleine, ce ventre du baleine obscur, cette, cette nuit obscure, c'est notre nafs. C'est notre nafs, c'est nos passions, c'est le shaitan. Regardez bien le Coran. Allah, il a dit, s'il n'était pas parmi ceux qui glorifient Allah, il serait resté éternellement dans le ventre de cette baleine. C'est le nafs c'est En quelque sorte. il peut même être le disciple. Il peut même être l'aspirant qui, qui sent qu'il est emprisonné dans son nafs, dans, son, dans ses passions. Il est aussi un, esclave du shaitan. le matin ça l'obscurité de la nuit, mhm. l'obscurité de l'eau et l'obscurité du ventre de C'est le nafs, le shaitan et les passions. Allah, il dit, s'il n'était pas parmi ceux qui glorifient Allah beaucoup, il serait resté là-bas. Regardez bien, tu es avec quelqu'un, vous faites beaucoup de bêtises, vous allez dans les soirées, vous faites ceci, vous faites cela. Et l'autre, un jour, il se dit, ah, moi, je vais chercher un maître spirituel qui va m'aider. Parce qu'il se sent esclave de l'alcool, du sexe, de la passion, des, nuits noires, de ceci, de, de tout cela. Il cherche de l'aide, lui. Après quelques temps, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, jusqu'à être propre. Mais celui qui n'a pas fait cette euh, c'est tarbia, c'est une éducation spirituelle. Qu'est-ce qu'il va faire Il va sombrer dans ça jusqu'à la, jusqu'à la mort. C'est bon Parce que si ça, ça aussi, ça, ça chauffe les ménages. Hein. <laughs> Si c'est clair, on peut aller à, l'autre question. C'est bon Vas-y. Non, mais en fait, c'est pas une question, mais c'est la même histoire. Enfin, ça va dans le même sens que l'histoire de Youssouf al-Islam, dans le sens où il était enfermé et que bah, le diable, on pouvait dire que c'était. Euh, euh, enfin, la fin enfin, le moment où il était enfermé, du coup, que le seul. Enfin, il a appelé Dieu, ça a été son seul moyen, alors qu'il était dans l'obscurité du mal. Du coup, c'est un peu euh, en rapport. à l'histoire C'est ça. C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. C'est, ouais. Donc, euh, cela aussi, c'est la même chose pour Sidna Adam. Pour les prophètes aussi, il faut faire très attention. Parce qu'ils sont protégés. Il y a certaines choses ils ne peuvent même pas faire. Même s'ils le veulent, ils peuvent pas faire. Mhm. aussi, cette histoire aussi, moi je la vois autrement. Par exemple, chez Socrate, Socrate, lui, c'est un philosophe, c'est très bien. Mais ce qu'il dit, c'est que, euh, que au début, toutes les âmes étaient porteuses de connaissances. Mais après les avoir plongées dans le fleuve de l'oubli, qu'on a tous oublié. Ça. Et ce fleuve d'oubli-là n'est rien d'autre que le corps, en ça. Parce que le corps, il est rempli de passion. En fait, il est dit même que le corps est, le tombeau de l'âme. C'est ça. Et, quand on parle de tombeau, on parle forcément de l'obscurité et de tout. Maintenant, pour s'y relever, il va falloir effectivement faire, n'est-ce pas, une mortification. C'est ça. Et, cette mortification n'est rien d'autre que séparer le corps de l'âme. C'est ça. Et privilégier l'âme. C'est ça donc, un prophète. Mais c'est ça, c'est la philosophie de la caverne. Ouais. Mhm. <laughs> c'est ça. C'est ça, ça, qui nous empêche de voir les réalités. Mhm. C'est ça. Euh, donc, ça revient au début de notre causerie par rapport à, à l'âme et au corps, au cœur et au corps. Donc, ça, ça revient à ça, Donc, maintenant, pour répondre, euh, bon, peut dire quelque chose sur euh, ces quatre noms d'Allah, euh, c'est Al-Awwal, Al-Akhir, al Al-Batin. C'est le premier, c'est le dernier, c'est l'apparent et le hmm. La, première des choses, c'est que on ne peut pas connaître Allah sans connaître Allah. On ne peut pas connaître Allah sans connaître Allah. Allah en tant que Alif, Lam, Lam, les quatre lettres. Parce qu'en réalité, ces quatre noms ne sont que des symboles. Mais quand tu dis Allah, un jour j'en ai parlé ici, je crois. Quand tu dis Allah et que tu connais le sens de Allah, là tu me parles de quatre noms. Mais si tu connais le sens de Allah, tu dois savoir que tu as, tu as en même temps, au moment où tu as dit Allah, ou bien la ilaha illa Allah, la ilaha Allah. ce Allah que tu as dit, c'est pas un seul nom. C'est les 99 noms qui sont dans le Coran et dans la Sunna du prophète. C'est en même temps, c'est les 100 noms réservés à la Ummah du prophète. C'est les 300 noms dans le Taurat. C'est les 300 noms dans l'Injil. C'est les 300 noms dans le c'est les mille noms aussi que Allah a réservé à ses prophètes. C'est les mille noms que Allah a réservé à ses anges. Quand tu dis Allah seulement. Donc ça fait 3000. 3000 noms. Hmm. Un qui équivaut à 3000 rapidement. Maintenant, il y a des noms qui sont connus. Par exemple, ici en France, il y a beaucoup de, de grands politiciens qu'on ne connaît pas. Mais il y a quelqu'un que tout, le monde connaît. Même ceux qui viennent d'arriver juste ici en France. C'est qui ah, Non. Non. Le Pen Non. Ah ouais <laughs> Tout le monde connaît Même ceux qui sont morts le connaissent. C'est De Gaulle. Ah, Charles, <laughs> <laughs> Les anciens le connaissent, ceux qui sont là connaissent, et ceux qui vont venir le, connaîtront. Mhm. Macron, c'est pour hein. mhm. Je parle de. On est. Awalu, Akhiru, On ne peut pas prendre euh, Macron qui est Zahir. Ah. Je m'excuse. C'est l'exemple. C'est un mauvais exemple aussi. Mhm. Il y a des gens qu'on connaît. Il y a les noms d'Allah aussi, il y a des noms qui sont connus. Mhm. Qui sont connus, qui, sont, qui ont une sorte de popularité. Ça arrive. Parce que chaque nom d'Allah, avec ses spécificités, ses particularités, hein, <laughs> on en avait discuté. <laughs> hein? Donc, euh, <laughs> lui, c'est le maître des, des, noms. Hein? Il peut, ça, je ne peux pas expliquer ici, c'est lui qui connaît ça. Donc, euh, euh, tout ce que je veux dire, c'est que par exemple, quand on dit Awal c'est les noms qui ont, qui parrainent d'autres noms aussi. Quand tu dis Awal, n'est pas seulement Awol Il y a Kadim dedans. Hmm? Qui existe avant tout. Tu vois Il y a, Al-Khaliq dedans, lui qui crée tout et qui ne qui, peut pas être créé. Il y a Al-Bari qui se cache derrière. Bari, Bari. Hein? <laughs> Hein? Bari, Al-Musawir, celui qui façonne, qui modélise les, hein, les architectes, là, les Ibrahim Diop. Hein? C'est lui qui fait les modèles pour qu'on qu va duplier, multiplier. Mhm. Hein? Parce que Basitou compris dedans. Basitou, Basitou ça, ça rentre dans, dans, dans, dans une autre catégorie on, peut même le mettre dedans, c'est possible. Parce qu'après la création, il va... Il va, ouais, c'est l'extension. L'extension. c'est possible, ça, peut rentrer dedans. Donc, vous pouvez mettre beaucoup de noms, parmi les 100 noms que vous connaissez, à l'intérieur. Derrière, Awal. Akhiru, c'est Akhiru qui vient. Mhm. Akhiru aussi, c'est al mhm. c'est lui qui hérite de tout. Mhm. al c'est lui qui tue tout le monde. al c'est lui qui fait revivre tout le monde. Mm-hmm. Al-Muqit, c'est lui qui fait vivre tout le monde. Mm-hmm. Muqit, qui donne le, pain. Mm-hmm. Al-Qut. Hein? C'est bon pour, pour Zahir, c'est lui qui est L'apparent. Le contemplable. Hein? Le visible à une certaine mesure. Mm. Hein? Là, quels, sont les noms de Dieu qui vous, viennent À nous. La mm-hmm. lumière. Mm-hmm. Il y a beaucoup de noms de Dieu mm. qui, sont, qui, qui, viennent avec al Almubdiu, al c'est lui qui fait sortir le pauvre Hmm? Pourvoyeur. Al-Khaliq. Khaliq, ça rentre descend dans ça. C'est pour ça qu'Allah nour samawati wal Ce nour-là signifie Khaliq. Hmm? Allah Khaliq samawati wal C'est lui qui a créé à partir du néant. Euh, qu'est-ce qui, qui vient Al-Batin. C'est celui qui est caché. Qui est caché beaucoup de noms d'Allah se cachent derrière Al-Batin, comme Allah. Mhm. Al-Hayy, le vivant. Le secret par quoi il fait vivre ce qui est caché dans les, mhm. dans les ventres, dans les matrices. Al-Qayyum, mhm. celui qui subsiste par lui-même, qui n'a pas besoin de l'aide de personne. Son secret, ses forces, c'est lui qui connaît. On peut continuer comme ça. C'est pour cela que euh, euh, ces quatre noms-là, c'est des noms qui tirent d'autres noms. C'est des noms qui tirent d'autres noms. C'est pour cela que quand tu connais tu connais tous ces autres noms. Et quand tu connais tous ces autres noms-là, tu connais Allah. Tu connais Allah, qui est le résumé de Awalu Akhiru Zahiru et de tous les noms qui viennent après. C'est pour cela que quand tu dis La ilaha illallah, c'est comme si tu dis La ilaha illallah al-awwal, La ilaha illallah al-akhir, La ilaha illallah al-zahir, La ilaha illallah al-batin. Quand tu retournes à, à, à Awal, c'est comme si tu dis La ilaha illallah al-awwal al-khaliq al-bari al-musawwir. Quand tu dis euh, La ilaha illallah, al-akhiru, tu dis La ilaha illallah, al-akhiru, al-ba'ithu, al waithu al-muhyi, al-mumitu, al-hayy, al-qayyum. Mm-hmm. Tu peux suivre ça jusqu'à la fin. <laughs> hein? C'est pour cela que ces quatre noms-là, la plupart des éducateurs de ils passent par ça. Parce que quand tu comprends ça, tu comprends les autres noms. Et quand tu comprends ça et les autres noms, tu comprends Allah. Et quand tu comprends Allah, tu as tout compris. Parce que c'est un problème de, de, dilatation, mm-hmm. hein, d'expansion mm-hmm. et de rétrécissement seulement. Ce qu'on appelle le khab et le bast. Mm-hmm. C'est ça. Le diamant et le farq. C'est ça. C'est aussi simple que ça. <laughs> Masha Allah. <laughs> Alhamdulillah. On vous a dit hein, avec les questions. <laughs> Non, mais euh, oui, ça, vaut le coup. Seulement, on va, on va faire des questions tarifées. <laughs> Il y en aura des moins, des moins de questions. Hein, hein Célia Je n'ai pas posé beaucoup. Hein? Ah, mais si. Si tu ne l'as pas posé aussi, c'est toi qui as déclenché toutes les questions chaudes là. Non, non, pas du tout. c'est ça.

un petit passage Viens, on attend la prochaine fois on attend, ouais. Hein? Non, vas-y, va. Oh. Eh, ah, en tout cas, les péchés, personne n'est à l'abri. <laughs> il, y a, il y a des moments, il y a de ces choses. Euh, tu sais, dans le fiqh, tout ce que tu fais exprès est cause de nullité. Tout ce que tu fais dans le fiqh, exprès, est cause de nullité de l'action. Que ce soit le soit la prière, que ce soit toutes les actions Hmm. dans l'islam. Hmm? Ça, il faut bien retenir ça. <laughs> Hein? Hmm. Non, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe euh, Nous, qu'est-ce qu'on nous disait quand on était élèves Rawante bi te le. Ce wolof tu vas jamais comprendre. <laughs> <laughs> Le vrai travail, c'est à la, maison, c'est pas à l'école. L'école ne, vous, donne que des outils. Il ne fait qu'ouvrir des, des pistes pour toi. Nous, c'est ça que notre maître nous disait, en moment, M. Sen, Il nous, il nous disait, le vrai travail, c'est à la maison. Hum. Allez, slap, ça. Quand on dit que le meilleur comportement, euh, en gros, le meilleur, enfin celui qui a le meilleur comportement, c'est celui qui a le meilleur comportement avec sa famille. Parce que c'est facile d'avoir le meilleur comportement à l'extérieur, alors que quand on est à la maison, euh, c'est facile d'exploser, de montrer ses défauts, etc. Alors que si on arrive à les cacher même à la maison, bah, ça veut dire qu'on est vraiment, on a vraiment le meilleur. C'est une bonne compréhension. C'est une très belle compréhension. Mais par exemple, mais ça, si on transpose ça dans le domaine des études, par exemple, nous, quand on était en primaire, on n'avait pas des moyens pour avoir des cours particuliers. Qu'est-ce que l'enseignant que voulait nous dire Mais quand vous rentrez chez vous, apprenez vos leçons. Faites vos devoirs. Même si vous n'avez pas une maman qui, peut vous aider ou bien un papa qui a appris, cherchez des frères, des grands, des, même les voisins à faire vos devoirs. Parce que le vrai travail, c'est à la maison. Les meilleurs élèves, ce n'est pas ceux qui comprennent dans la classe. Hein. C'est mm. ceux qui comprennent dans la classe, en classe, je veux dire, c'est des gens qui ont des dons. Il y a des gens, ils n'ont même pas besoin d'écrire de, les leçons. Ils prennent des notes, ou bien même en écoutant, ça leur suffit. Moi, j'en voyais. Ils écrivaient même pas leurs leçons. Mais ça, c'est un don. Mais un élève normal, il prend ses cours, il rentre à la maison. Quand les gens sont en train de jouer au foot, lui, il va, travailler. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Si on comprend ça, la question est répondue. C'est-à-dire que la tarbia, le compagnonnage d'un cher, tout cela, ce n'est pas un gage, ce n'est pas une garantie. Hein? contre les méfaits du shaitan. Il t'aide, il t'assiste, il te, il te recadre. Il te cadre, il te recadre, il te met dans les conditions pour que tu puisses toi-même te protéger contre le shaitan. Parce que lui aussi, il a son shaitan. Hein. Les maîtres spirituels. Vous croyez que c'est des gens qui sont infaillibles Non. Il y en a qui se trompent, il y en a qui font des bêtises. Ça arrive. Ça arrive. Parce qu'eux aussi, ils ont leur shaitan en eux. Donc chacun combat son shaitan, son propre shaitan. Maintenant, on peut s'entraider à combattre notre shaitan ensemble. Regardez bien, on est là, mais euh, on a, même si on est euh, tenté par les péchés, par beaucoup, mais, euh, depuis 18h là, mais on est déconnecté de, de, toutes, de, de, toutes ces futilités et de toutes ces bassesses. C'est à ça que je pensais tout à l'heure là. un hein? peu <laughs> ailleurs quoi. Je me dis pourtant, euh, on est ici en France, euh, pratiquement tout nous est entre guillemets permis quoi. On pouvait aller euh, n'importe où, faire tout ce qu'on veut. Mais regarde, on est ici en petite communauté, on est en train de s'entraider je pouvais rester à la maison en train de faire autre chose, ou bien mon pote m'appelle, euh, viens, on, y va, euh, au tout ce que tu veux. Mais on est là entre, entre frères, quoi, on s'entraide. Donc c'est ça, chacun essaie de canaliser l'autre. C'est ça. Mm. C'est des fusions de lumière, c'est des... C'est très beau. C'est très beau, ça. dès qu'on est arrivé, Hamed, c'est ça qu'il m'a dit. Mm-hmm. Il m'a dit, tu vois, la beauté de la tarifa. Ça nous a réunis. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mm-hmm. C'est ça qu'il m'a dit. Euh, Célia, elle était. Euh, tu vois, elle était aux anges tout à l'heure. même, lui, euh, il le sait. Il, même pas, elle ne peut même pas contenir ça. Bah ça se voit, ça se, ça se sent, ça se. Tu vois. C'est ça. Maintenant, quand on fait le que quand on parle d'Allah, quand on parle du Coran, quand on parle du prophète, c'est des lumières qu'on a emmagasinées dans notre corps, mhm. dans notre cœur, dans notre roi. Mais cette, ces lumières-là, n'est pas pour ici. Ici, on ne va pas faire de bêtises. Mais c'est pour la rue. C'est pour après quand on est seul dans nos appartements, dans nos logements. Ici, on se remet en cause. C'est ça. C'est le repentir. J'en ai parlé. Mhm. C'est le repentir. Ce matin, oui. J'en ai parlé ce matin, j'en ai parlé aujourd'hui. Moi, ce que je dis, je sais de quoi je parle. Mhm. C'est ça. Il faut faire des efforts parce que c'est pas facile. Nous tous, nous sommes pareils. C'est le degré qui diffèrent. Comme j'ai dit dans, dans l'ouvrage, tous les hommes naissent égaux, mais c'est leur mission sur Terre qui les différencie. Mhm. Donc maintenant, quand on est conscient de ses faiblesses, mais on fait attention. On fait attention plus que, les autres. Mm-hmm. On fait plus d'efforts que les autres. Mm-hmm. Moi, souvent, quand j'étais élève, euh, il, m'arrivait euh, d'apprendre jusqu'à une, certaine heure. Quand euh, certains me voyaient, ils me disaient Ah, vous, apprenez J'ai dit oui, parce que je suis un élève faible. Les autres, ils peuvent dormir. Moi, je suis un élève faible. S'ils si apprennent pendant deux heures de temps, moi, il faut que j'apprenne pendant cinq heures. Parce que euh, je, capte euh, lentement. C'est une façon de leur dire. Mmh. Euh, souvent aussi, je leur disais quand j'étais en terminale. quand j'apprends, je fais tous mes devoirs, je fais tout ce que je fais, je mets encore deux heures. Et qu'est-ce que je disais Regardez bien. Je leur disais que ces heures-là que je rajoute, je rajoute ça pour l'islam et la tijania. Pourquoi Parce que en ce moment précis, j'étais le symbole de la Tijania là-bas. Près de 3000 élèves. On m'écouté. Plus de 500 élèves venaient m'écouter chaque jour. Ah, je me dis, si chaque 10 heures, chaque jour, j'appelle les gens à venir ici écouter l'islam dans le cadre de la tariqa tijaria, si j'échoue, c'est comme si c'est la tariqa qui a échoué. Mm. Donc je me battais pour avoir des bonnes notes. Non pas pour moi, parce que moi, je ne veux rien. Mais c'est pour encourager les jeunes à aimer l'islam, à savoir que ce n'est pas parce qu'on s'accroche à la religion qu'on est nul. Et Dieu a fait qu'en terminale, j'étais premier en premier semestre et premier en deuxième semestre. Oui. Alhamdulillah. J'ai eu mon bac d'office. Alhamdulillah. Et pourquoi pour tout cela Si c'était moi seulement, moi, il y a des gens même de mon quartier qui ne savaient même pas que j'étais élève. Parce que je partais comme ça, en boubou. Ils mettais mes livres dedans. Non, mais... <laughs> Ah oui, oui, comme ça. Personne ne savait. Je me lève, je vais à l'école. <laughs> Personne ne pouvait savoir. Et je ne parlais pas français. Je dans les débats même, je parlais pas. Je... Si au lycée. après le bac qu'ils ont dit Ah bon, ah, <laughs> Tu vois Donc, pour vous dire, il y a, des moments, uh-huh. euh, on fait des efforts supplémentaires. Uh-huh. Pourquoi Parce qu'on veut quelque chose, uh-huh. parce qu'on est faible. Si l'on fait 10 efforts, toi, tu, en fais 30. Parce que tu, connais tes faiblesses. Et ces faiblesses-là, c'est les voies du shaitan. Mais le shaitan, il ne peut pas, quand tu dis billah de manière sincère, mhm. le shaitan, il court. Mais le shaitan, si tu dis billah il court, mhm. mais il, il a laissé des, des soldats avec toi. C'est ton neuf, c'est tes passions, c'est tes faiblesses. Mhm. C'est avec ça qu'il te détruit. Maintenant, quand tu dis billah le père est parti. Maintenant, tu, tu, tu te bats maintenant avec les fils. Parce que le père, tu ne peux pas te battre avec un père. C'est irrespectueux. Mais les, les, jeunes là, s'ils t'insultent, <laughs> tu te les Tu vois C'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est pour cela que euh, on peut avoir le plus grand maître du monde, le plus grand maître spirituel, le plus grand morabi du monde. Mais si on ne prend pas garde d'être toujours dans le repentir, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce matin, hein on risque de tomber dans les pièces, Parce que même le grand Mourabi, là, il a des problèmes. Parce que chacun a son jardin secret. sacré. Je crois que j'ai été clair. Claire, très clair. Cette fois, c'est clair au moins. Si tu veux, j'en rajoute. Hein. il y a toujours des choses ici que je cache. Hein. <laughs> il y a toujours, il a des, choses que je, je vas Donc, euh, c'est la troisième. Euh, si tu rajoutes, ça va être une profusion. Hmm? Si tu rajoutes, ça va être une profusion. <laughs> ça va être déborder. C'est même faïda. Ah oui. Non, mais c'est ça, c'est ça. C'est pas, pas une raison. Hein. Tu vois des grands maîtres spirituels, des grands chers, leurs enfants peuvent faire des bêtises. Attention ils, peuvent être dans le péché. Dans le péché. Mm-hmm. Ça, c'est pas une raison. C'est pas parce que tu peux Tout à l'heure, on en a parlé, non En voiture. Mm-hmm. Hein? C'est pas parce que tu es petit-fils du prophète que tu es à l'abri du péché. Mm-hmm. Hmm? <laughs> C'est ça. C'est pas parce que. Euh, si je, prends l'exemple du petit-fils du prophète, c'est pas la peine de prendre les auréas. Ah oui. Il n'y a même pas de comparaison possible. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention et s'éloigner de mieux qu'on puisse, hein, qu'on peut de, du péché. Le péché, parce que c'est euh, tout ce qui est c'est des besoins naturels uh-huh. <laughs> le, terme est clair mon frère uh-huh. ma soeur c'est des besoins naturels c'est comme si tu as sommeil à un moment donné même si tu écoutes le plus éloquent du monde le plus même si tu bois quatre cafés, tu vas faire comme ça. C'est naturel. Il y a des moments où tu vas dire, ah, vraiment, euh, mangeons avant, de faire la wasifa. Vraiment. Je, vous, le demande. Je Parce que là, tu, sais que tu vas mourir de faim. <laughs> Tes tripes sont en train de, de, se, de, froisser comme ça. Tu, mm-hmm. sens des choses. Mm-hmm. Tu, entends ton ventre qui te parle, qui te dit, ah, vas-y. Tu ne manges pas. <laughs> Vas-y. je vais me suicider. Il va, crier, ton ventre. Il va, tu vas sentir des choses. Tu vas même avoir des hallucinations. Hein. Ah bah tu, vas voir même des plats dans, dans, dans l'atmosphère comme ça. Tellement tu as faim. Mhm. tu as l'impression que tu es malade alors que c'est juste la faim. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est la même chose. C'est les besoins naturels. C'est valable pour tout l'imam de la Mecque, le grand calife au Sénégal, l'imam de, de, de, de, la Bosnie ils sont, ils... Mais attention, surtout quand tu es jeune et tu manges bien, tu manges des kebabs, du, tu, tu bois ton lait. Ah non, mais tu es bien, tu as, des besoins. C'est naturel. Tu as besoin de, de bouger, tu as besoin d'exploser ton énergie, tu as besoin de sexe. Si, tu as besoin de plaisir. Mais il faut canaliser tout cela. C'est là où le, le guide spirituel intervient. Mais pour t'aider à faire ça, c'est pas lui qui va le faire. Parce que ah. quand tu es seul dans ton appartement, il n'est pas là. Mhm. Mais il t'a donné les moyens, le décret, euh, le, fait d'écouter le décret, mhm. le, chapelet, le fait d'appeler des gens qui te rappellent Allah mhm. tu le fait de te rappeler, rappeler toi-même les méfaits du péché, tu seras, de, faire un petit rappel à toi. C'est des, des, moyens que tu utilises pour te... Pour, il ne faut, faut jamais baisser les bras c'est des besoins naturels. Tout, tout, mais ça, si ça t'arrive pas, c'est parce que tu n'es pas normal. quelqu'un qui dit j'ai jamais faim, mais c'est autre chose. J'ai jamais soif, c'est autre chose. Mmh. J'éprouve jamais de euh, besoin mmh. de plaisir, mmh. mais c'est parce que tu manges pas. Mais un jeune qui mange bien, non, c'est automatique. regardez bien, euh, il y a une histoire, souvent je l'utilise. Il y a je me suis retrouvé avec un chien. Un chien qui a fait un carnage. Même les télévisions en ont parlé au Sénégal. Parce que quand j'ai vu le chien, comment il me regardait, et quand je le regarde d'une certaine manière, le chien, il fait comme ça. J'ai appelé le... Je lui ai dit, bien, qu'est-ce qu'il a ce chien Il est bizarre, hein C'est comme s'il a fait des bêtises. Moi, je vais quitter ta, maison tout de suite. Parce que ce chien-là, je sais qu'il y a quelque chose. <laughs> Il a laissé les gens partir. Il m'a dit, vous avez ma raison, Seigneur. Ce chien, c'est le chien dont parlait la presse sénégalaise. C'est le chien qui a mangé tout, qui a tué tout un troupeau de, de l'adoum. L'adoum, c'est des, des, moutons de, de bélier de valeur qui coûtent 50 millions, 100 millions comme ça. Mhm. je lui ai dit, mais moi je vais quitté parce que je ne veux pas finir dans, euh, dans ces crocs quand même. Mhm. Il m'a dit non, il ne va rien faire. Il m'a dit, je lui ai dit, mais pourquoi il a fait ce carnage-là mhm. Tu vois, il le sang partout. Il a tout. Il a tout massacré. C'est une chienne même. C'est une chienne. Ah oui. Oui. Je lui ai dit, mais pourquoi il a fait tout, euh, cela Il m'a dit, c'est parce qu'on ne le sortait pas. Il, a trop d'énergie il avait trop d'énergie dans son corps. Mm-hmm. C'est ça qui a réveillé ses instincts de tueur. Mm-hmm. Mm-hmm. Il m'a dit, tout, tout, chaque jour, on doit le sortir euh, dans un espace un peu vaste pour qu'il se défoule. Ou bien lui chercher un, autre chien pour qu'il joue avec, avec lui, avec elle, pour que son énergie-là puisse être... Euh, Absorber, oui. Absorber, déployer. Vous voyez ce que je vous dis. C'est la même chose chez, les hommes. Regardez bien. Euh, tous les gens que vous voyez ici, c'est des jeunes qui ont euh, qui sont mariés il y a un an, il y a deux ans. Mais pourtant, alhamdulillah, depuis qu'ils sont là, pas de soirée, pas d'alcool, pas de drogue, pas de sexe, mm-hmm. même pas des petites bêtises. Pourquoi Parce que cette énergie qu'ils ont en eux, ils l'expriment dans la, dans dans la wazifa, dans le décret, dans, la lecture du Saint-Coran, dans les, dans les, intentions qu'ils ont pour servir l'islam, hum. dans les lectures, les, ouvrages qu'ils lisent. Hum. Les jeunes aussi. Hum? Les jeunes aussi, les jeunes. Le fait de tu vois, celui-là, il vient de Chartres. il vient de Chartres. Pourquoi L'autre jour, le docteur Ali, qu'est-ce qu'il a dit Quand on était dans le 14e, il a dit J'aurais donné tout ce que j'ai pour assister à votre hadrala. Billahi, c'est ça qu'il a dit. Mhm. Il a dit Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de perdre. Mhm. C'est un docteur, c'est un scientifique. Mhm. Il est friqué. Mais il sait que tout ce qu'il a, Attention, ça a des limites. Il a dit, c'est un break qui te, qui te purge, qui te, qui te purifie uh-huh. et qui te remet, qui te formate, qui te rappelle tes, tes, tes, tes obligations, tes uh-huh. priorités. Uh-huh. Vous voyez ce que je vous dis? Il y a les exemples qui sont là. Quand tu leur dis euh, je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais bu, je ne suis jamais rentré dans une boîte, je n'ai jamais forniqué, je n'ai jamais touché même, même pas la main d'une femme que je n'ai pas mariée, ils te disent c'est pas possible. Mytho, ils te disent mytho. <laughs> c'est le mot préféré. Mytho, c'est faux, ça, ça n'existe même pas au paradis. <laughs> ça m'est arrivé à Strasbourg. La personne avec qui je travaillais, on discutait, il m'a parlé de ces... De son passage, je lui dis, moi, de tout ça, tout ce qu'il a fait. Il m'a dit, euh, et toi, je lui dis, moi, la seule femme que je connais, c'est ma femme. À part ça, rien. Il m'a dit, mais toi, t'es pas normal. Toi, t'es. T'es normal, toi Je lui dis, non. <laughs> il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais Je lui dis, bon. C'est juste que j'ai d'autres choses à faire, beaucoup plus importantes. Et même moi, ça m'est arrivé tout récemment là où je travaillé. Ah bon C'est un camion de nuit. <laughs> on parlait comme, mais lui à chaque fois, il s'entêtait à nous parler des femmes, quoi, tu vois, à chaque fois. J'ai les nous déjà, euh, effectivement, tu vois. Donc déjà, quand tu es musulman, là, toutes ces choses-là, quoi, tu, tu, tu dépasses, quoi. J'ai dit, j'ai dit, en fait, ce n'est même pas le, en fait, ce n'est même pas le but de notre création. tu dit non, Dieu, Dieu nous a dit, allez, euh, allez-y, Nilipiemu. ah, il a Allez, à sa façon, sa manière de faire. Effectivement, il a dit, même dans Ève, Dieu nous a dit, allez-y, multipliez-vous. Il a dit, mais c'est, attends, fais plus doucement. Il a dit, mon frère, je t'ai dit, hein. Dieu là, il a dit, allez-y, multipliez-vous. Nous, on va nous multiplier. <laughs> Euh, demande-lui s'il est dans, la multiplication ou bien, bien il est dans autre chose. Hein? Lui, lui, il n'est pas dans la multiplication, exactement. demande-lui combien, combien d'enfants il a. Et demande-lui combien de euh, ceci il a fait, ce, cela il a fait. Mm. Non, mais c'est des. C'est des. C'est des. Ah non, mais c'est très dangereux. il faut faire attention avec en ce moment, euh, il y a beaucoup de choses comme il l'a dit euh, mhm. toutes les conditions sont réunies pour faire toutes les bêtises mhm. qu'on veut mhm. tu as un peu d'argent même si euh, tu habites avec euh, ta famille ou bien des gens qui sont proches mais tu prends ta voiture ou bien tu prends ton train tu vas dans un autre dans une autre commune tu prends un hôtel là-bas tu fais ce que tu veux hein, pendant le, week-end après tu reviens chez toi qui peut savoir hein? tu, tu, rends compte à qui mais c'est là, c'est là où il y a la différence. Mhm. Ah. C'est quand tu dis que, comme la femme avait dit à, l'homme, mhm. ah, hein? il, a dit, euh, on est seul, hein? là on peut faire ce qu'on peut. Il lui dit euh, vraiment on est seul mhm. Il dit ah oui, oui, on est seul, c'est toi et moi. Il lui dit est-ce que vraiment on est seul Mais là, les larmes sont, ah, oui. Ah, il lui a rappelé Allah. Mhm. C'est ça qui est important. Mhm. il, faut, il faut le prendre comme ça. On est tous des humains. On a tous des pulsions. On a tous des attirances. On a tous des besoins. Mais il faut les cadrer. Mhm. Il faut les cadrer. C'est pas comme ça. Chaque fois tu, tu passes à côté de quelque chose que tu aimes, mais tu prends pas. Tu prends pas. Chaque fois tu passes à côté de, tu vois, un téléphone, tu l'aimes, mais tu prends pas parce que si tu le prends, tu as des problèmes. Tu vois, comment on dit ici, un, pavillon, mhm. mais tu aimerais bien y habiter. Mhm. ce n'est pas ta maison. Mais tu passes. C'est la même chose pour autre chose. Tu vois, tu rentres dans le, dans le champ, dans le clair dans, les grandes surfaces. Mais tu vois des choses, c'est pas à toi. Tu passes, tu touches pas. Mhm. Tu rentres à Lafayette, c'est là-bas, non Galerie Lafayette. La galerie Lafayette, il y a quoi là-bas euh, il y a le luxe, tu vois. Elle a tout reçu. <laughs> Elle n'a même pas parlé d'or ou de le parfum de grâce. Elle a dit le, luxe. Le luxe, tu vois. Mais si tu rentres là-bas, mais tu ne touches pas. Il y a les vidéos partout. Si tu touches, tu es foutu. Mm-hmm. Il y a des bijouteries ici à Paris. Hein? Tu prends un seul bijou, ça coûte combien Tu vends à combien mm-hmm. Mais tu touches pas parce que ce n'est pas à toi. Mhm. C'est la même chose. On aimerait bien toucher à tout ce qu'on voit. Ça, c'est l'homme. Mhm. Mais nous, on est musulmans, on est croyants. On se limite à ce que Allah nous a dit. Mhm. La terre constitue votre, votre euh, la, la, terre est l'enfer des musulmans, des croyants. C'est ça. C'est ça. Le dunya, c'est pour nous, c'est l'enfer. Et ça tombe, ça forteresse. C'est ça. Notre repos, notre plaisir, c'est là-bas. Mm-hmm. il a dit il dit la mm-hmm. quand je me rappelle de mon bien-aimé Allah mm-hmm. je laisse tout je suis prêt à, tourner le dos à tout parce que je sais ce qui m'attend je sais ce qui m'attend ça, c'est les amoureux qui parlent comme ça. Mais il y a des, gens aussi qui parlent autrement, qui disent, mais je sais ce qui m'attend comme, comme, comme châtiment. Mais nous, nous sommes des amoureux. Nous sommes des privilégiés d'Allah. Nous sommes des élus d'Allah. Donc, c'est ça qu'on dit. Hein? Un ami, on ne fait pas quelque chose qui lui déplaît, n'est-ce pas Mais Allah, nous aussi, c'est notre ami. On ne doit pas faire quelque chose qui lui déplaît. Et pourtant, il est généreux, il est généreux avec nous, gentil avec nous. Et surtout, il cache tous nos, tous nos manquements. Mm, exactement. Mm. Sutura. Il cache tous nos manquements, subhanallah. Allahu Akbar. Mm. Allahu Akbar. Donc, il faut faire attention. Mm-hmm. Surtout utiliser la tête. Hein. Faut, il, faut, il faut être fort là. Parce que la foi, elle est, elle est déjà là. Ouais. Alhamdulillah, intacte. Mm-hmm. Mais euh, ce, qui, ce, qui est, ce dont il faut se méfier, c'est les ruses du shaitan. Mhm. Avec l'aide d'Allah, on est libre. Mhm. Mhm. Amen. J'espère que j'ai bien répondu. J'ai pris le temps qu'il faut aussi, parce que je sais que c'est important. Mais on aura le temps d'en discuter encore. Parce que tu sais, tu, tu, quand tu lis euh, la plupart des livres des Ambias, ils parlent toujours des, sciences de l'âme. Mhm. Parce que tout le problème, c'est là. Tout le problème, c'est ça. Mhm. Personne n'est à l'abri. Mhm. Tant que tu vis, tant que tu manges. Parce qu'il y a une, une, grande relation entre tout ce que j'ai dit. Vous voyez que j'insiste surtout sur manger. Manger. Quand tu manges, c'est ça. C'est pas l'âme qu'on avait, euh, qu'on avait éprouvée pendant un certain millier d'années Dieu lui dit, euh, qui es-tu et qui je Il lui dit, tu es toi, je suis moi. Et il a mis euh, dix 10 ans euh, d'épreuve dans la fin, juste 10 ans, il sort, il dit, j'atteste que c'est toi Allah, et moi je ne suis qu'un serviteur. Mhm. Ça veut dire que la fin a, quelque chose. Ah oui. Parce que quand tu. Quand, quand, tu le chez parce que le jeûne, ça étrangle le cheval, ça étrangle le nafs, ça l'affaiblit. Parce que le prophète, il a dit, ça coule. Il court dans notre corps comme le, le sang court. Mhm. Donc, en jeûnant, sa vitesse est affaiblie. Mhm. Non, on en a, parlé. Les Aoléas, c'est à ce niveau qu'ils arrivent, hein, jusqu'à ce que le, le même disparaît chez eux. Et pourtant, ça ne les empêche pas aussi de, se, de faire attention. On ne sait jamais. Tant qu'on ne meurt pas, tant qu'on n'est pas mort, on n'est pas à l'abri. Tant qu'on n'est pas mort, on n'est pas à l'abri. C'est ça. Il faut relativiser les choses. Ne pas seulement euh, se prendre euh, euh, pour le centre du monde pour dire que c'est. Non, non, non. Nous, tous, nous sommes tous des pécheurs. Mm. Chacun avec son niveau. Mm. Mais le prophète, il a dit le meilleur des pécheurs, c'est les pécheurs qui se répandissent vite. La tauba, mm la tawa c'est quoi C'est quand tu manges, tu vomis, tu ne manges pas. C'est la tawa. <laughs> Maintenant, quand tu manges euh, un bon morceau qui tombe, tu peux ramasser. Si le lien n'est pas sale. Mais quand tu vomis, ah non. C'est Fini, nettoyer. Nettoyer, poubelle. Il y a des gens, même quand ils voient ça, c'est fini. Ils mangent mangent plus. C'est ça la tawa. C'est l'amputation. L'estirfar, c'est les soins. Quand on coupe, c'est fini. Allah nous en préserve, nous tous. Il hmm. faut la tawa, la tawa, la tawa.